The forum du studio forum du the forum, the forum du the forum du the forum, the forum du the forum, the forum du the forum, the forum du the forum, the forum du the forum, the forum du the forum, the forum du studio Kalamkou Auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du studio Kalangu. Une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés par un réseau élargi de 34 radios partenaires à travers le Niger et ceux du lundi au vendredi de 17h à 19h et les week-ends de 17h15 à 18h15 minutes. Le forum de ce soir porte sur les élections professionnelles au Niger, enjeux et perspectives. Les élections professionnelles, qu'est-ce que c'est Quel intérêt pour le Niger d'organiser ces élections Où en sommes-nous sur le processus d'organisation de ces élections professionnelles Quelles sont les principales difficultés qui entravent l'organisation de ces élections professionnelles Comment solutionner ces difficultés et comment réussir ces élections Ce sont là, entre autres questions, auxquelles nous espérons trouver des réponses avec nos invités. Seini Bagou, deuxième vice-président de la Commission nationale chargée des élections professionnelles, avec nous. Bonsoir Saini et Abdou secrétaire général de l'UDTN, l'Union démocratique des travailleurs du Niger, et représentant des centrales syndicales CTN, Convergence des travailleurs du Niger. Bonsoir Abdou Bonsoir. Nous avons également invité Amadou Jibo, secrétaire chargé de la communication de la CGCL Niger, qui devrait représenter donc euh, euh, l'intersyndicale des travailleurs du Niger, l'ITN. Ce dernier nous a indiqué ne pas pouvoir venir pour des raisons sanitaires. Nous avons également invité la direction du travail et de la promotion du dialogue social du ministère de l'Emploi, mais notre invitation est restée sans suite. Je rappelle à nos auditeurs que par souci de pouvoir réunir tous les acteurs autour de cette thématique, nous avons dû reporter cette émission à trois reprises. Présentation de cette émission à la Kouzi Mahamadou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans le forum d'Istudio Kalangou de ce soir qui, je le disais, porte sur les élections professionnelles. Dans une précédente émission du forum d'Istudio Kalangou, nous avons traité de la question des syndicats et des centrales syndicales au Niger, leur nombre élevé et les revendications multiples et multiformes ne facilitant pas les négociations avec les employés publics ou privés, ainsi dans le but de pouvoir déterminer un interlocuteur légitime et représentatif des différentes tendances en cas de négociation le concept d'élection professionnelle voit le jour des élections professionnelles entre les centrales syndicales du Niger, à l'image d'élections politiques entre les partis politiques des centrales syndicales. Il en existe 13 au Niger. Alors, pour planter les décors, nous allons commencer euh, à comprendre d'abord le sens profond d'élections professionnelles. Je m'en vais commencer avec vous, euh, Seini Bagou, deuxième vice-président de la CONEP, la Commission nationale chargée des élections professionnelles. Euh, merci, Monsieur Alassane. Les élections professionnels, euh, c'est des élections qui seront organisées entre les centrales syndicales des travailleurs et des employeurs. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, les employeurs se sont retirés. Ces élections seront organisées uniquement pour les centrales syndicales des travailleurs. Ces élections vont nous permettre de trouver les centrales ou d'avoir des centrales les plus représentatives au Niger. Vous avez dit que normalement ces élections sont censées se tenir euh, entre les centrales syndicales des travailleurs et des employeurs et que les employeurs se sont retirés. Est-ce qu'on sait pourquoi Bon, les, employeurs, euh, les raisons qu'ils ont avancées, ils ont dit au gouvernement qu'ils sont deux organisations des employeurs. Donc, euh, ils vont faire une fêtière. Quand il y aura désignation, elles vont désigner entre elles c'est une sorte de rotation entre elles qu'elles vont faire entre elles. Donc, euh, elles n'ont pas besoin d'organiser des élections professionnelles. On sait c'est qui ces deux, organisations Il y a la FOP et, la CNPN. Donc, ce sont les deux organisations professionnelles des employeurs bien. Euh, nous allons revenir à vous le temps de donner la parole à Abdou Souley, qui est le secrétaire général de l'UDTN et qui représente la CTN, la Convergence des travailleurs du Niger. Euh, peut-être un complément euh, d'explication par rapport à ce que c'est que même les élections professionnelles. Merci Alassane de nous avoir posé cette question. Les élections professionnelles étaient une revendication des centrales syndicales qui, à la fête du président de chaque année, chaque centrale, après le défilé, dépose une plateforme revendicative qui devrait être centralisée au niveau du ministère des tutelles qui est aujourd'hui le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale. Au moment où il fallait ouvrir les négociations, le gouvernement se trouve embarrassé avec plusieurs centrales syndicales avec lesquelles il faudrait s'asseoir et trouver des solutions par rapport à l'ensemble des préoccupations des centrales syndicales. Or, quand vous regardez le contenu de l'ensemble de ces plateformes revendicatives, des fois, il y a plusieurs points qui sont le même pour que le gouvernement puisse avoir des interlocuteurs fiables, il a été demandé de s'asseoir autour d'une table et créer les conditions idoines pour qu'il y ait élections professionnelles. Ces élections professionnelles permettront de déterminer les centrales syndicales les plus représentatives. On dit conformément au code électoral, une centrale n'est représentative que lorsqu'elle arrive à obtenir 5% de l'ensemble des inscrits sur la liste électorale. Cependant, ces 13 centrales syndicales seront classées du premier au dernier lorsque le gouvernement envoyera une correspondance pour dire désignez-moi un représentant des organisations des travailleurs devant siéger au niveau du Conseil économique, social et culturel, par exemple, c'est la première centrale syndicale qui, doit aller et qui va désigner son représentant. Lorsqu'on dira, quand vous prenez au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, les organisations syndicales des travailleurs ont quatre représentants. Cela veut dire on n'a pas à écrire à toutes ces centrales pour qu'elles se retrouvent et désigner quatre représentants. En fonction des pourcentages de chacun, on peut déterminer quelles sont les centrales qui vont envoyer leurs ah, représentants. Les représentants. Et le gouvernement, lorsqu'il s'agit de faire déposer des préoccupations des travailleurs, le gouvernement s'adressera à ces centrales les plus représentatives. D'où, comme Seine Bogou l'a dit, l'organisation des élections professionnelles va nous permettre d'avoir des interlocuteurs, non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour l'ensemble des partenaires techniques et financiers tels que le Bureau international du travail, BIT. Et c'est ce qui fait que dans l'ensemble des documents... Euh, Monsieur Seynibagou, euh, deuxième vice-président de la CONEP, la commission chargée des élections euh, professionnelles, de façon pratique, comment s'organisera ces élections professionnelles Bon, de façon pratique, les élections professionnelles seront organisées de la manière suivante euh, d'ores et déjà, nous avons procédé au recensement des travailleurs. Nous avons produit d'abord un premier fichier provisoire dans euh, chacune euh, des douze centrales, centrales syndicales candidates aux élections en a eu une copie. Et il faut préciser que Là, j'ai parlé de 13 centrales. C'est 12 centrales qui iront en compétition. Il y a 13. Mhm. Et la 13e, elle est de l'économie informelle. Mhm. Donc, elle, est, elle exclue. Elle ne peut pas participer aux élections professionnelles. Maintenant, eh, le fichier provisoire dont nous avons, après le recensement, nous avons produit un fichier provisoire qui a été envoyé aux centrales syndicales, envoyé aux régions pour vérification. Après cette vérification euh, qui a permis aux travailleurs qui ne se sont pas fait inscrits de se faire inscrire sur les listes de réclamation. Donc, on nous a retourné le, le fichier provisoire, nous l'avons travaillé, mais malheureusement, vous savez, ces élections professionnelles, elles sont plus compliquées que les élections politiques. Parce que chacune des centrales ne veut pas rester à la traîne. Et c'est normal, elles ont raison. Donc, euh, il y a eu des réclamations par-ci, par-là, de la part des centrales syndicales, et nous avons repris le même fichier. À l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, le fichier est presque terminé. Nous l'avons produit, c'est saisi nous l'avons tiré. Il ne reste que quelques corrections pour qu'on puisse convoquer la plénière et envoyer le fichier provisoire en région et auprès des centrales syndicales candidates. Donc, une fois que ce processus sera terminé, le retour, il y aura le retour de du fichier provisoire après correction à l'intérieur du pays, comme euh, à Niamey, et nous allons enfin produire le fichier final selon les textes et ce fichier final qui sera produit, Inch'Allah, sera au moins transmis à toutes les centrales syndicales candidates aux élections professionnelles. Une fois que nous avons fait le, produit le fichier final, nous allons procéder maintenant à l'impression des cartes électorales. Mhm. Parce que euh, au début, on n'avait pas prévu des cartes électorales. Et nous avons dit non, en matière d'élection, il faut nécessairement que chaque électeur ait sa carte pour pouvoir voter. Parce que c'est en fonction de, cette carte-là que la vérification sera faite si M. Senibagou est de telle ou telle entreprise, si M. Senibagou, l'âge le nom, prénom, l'âge, fonction mhm. figure sur la carte parce que tout est figuré sur euh, le, fichier électoral. Donc voilà euh, concrètement où nous en sommes pour le moment. je reviens à vous, euh, Abdou Souley, de l'UDTN et représentant la CTN. quand on parle de fichier électoral, cela veut dire qu'au préalable, il y avait eu, il y a eu recensement d'électeurs Qu'avez-vous à ajouter par rapport, par rapport au recensement, par rapport au, fichier provisoire dont parlait Senbagou qui à l'heure actuelle, en tout cas, euh, est, presque fin prêt Faudrait-il les rappeler avant de venir là que des correspondances nous ont été adressées bien avant parce que on ne peut pas faire un fichier électoral de cette manière, et c'est ce qui a fait qu'il a fallu que les cadres législatifs et réglementaires soient mis en place à travers un code électoral. Et deux missions ont été effectuées, dont l'une au Togo et l'autre au Bénin, pour s'inspirer de l'expérience de ces pays, de la façon dont ils avaient organisé les élections professionnelles. Lorsqu'ils étaient venus avec l'ensemble des documents nos représentants se sont retrouvés avec les représentants de l'État pour compiler et faire sortir un texte devant régir l'organisation des élections professionnelles. C'est ainsi qu'on a demandé à chaque centrale syndicale d'envoyer son représentant qui va siéger au niveau de la commission nationale électorale. C'était depuis 2014. Ils avaient commencé à faire le recensement. Et ce qu'il faudrait dire, il n'avait pas formé les agents recenseurs. Il n'avait pas recruté les agents recenseurs qu'il fallait. Il y a des agents recenseurs qui ne savaient ni lire ni écrire, Ceux qui avaient posé un véritable cafouillage au niveau du premier recensement des élections professionnelles. Ni lire ni écrire, comment cela est possible On ne peut pas quand même euh, donner un recensement à quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Je vais vous euh, étayer ça à travers un certain nombre. je vais vous étayer ça à travers un certain nombre d'argumentations mhm. et vous prenez des agents recenseurs qui partent au siège d'une centrale syndicale ou qui partent dans un ministère pour demander aux travailleurs de recenser ou d'écrire eux-mêmes leur nom sur la liste d'émargement, je pense que ça c'est assez illustratif. Et vous allez constater, à la lecture du premier fichier électoral, lorsqu'il avait dit que ça nous a été envoyé au niveau des organisations syndicales des travailleurs, un mm. certain nombre d'errements ont été constatés. Première mm. Premier à la commune numéro une dans laquelle nous sommes, L'Union démocratique des travailleurs a détecté une vendeuse de Piawata qui a été recensée comme étant une travailleuse. À la commune une dans laquelle nous sommes, vous allez constater des travailleurs qui étaient nés en 2015 et qui allaient voter en 2015. Dans la même liste, vous allez constater des lignes vides qui ont été sautées à plusieurs reprises et ces lignes vides ont été comptabilisées comme étant des électeurs. Ah, alors À Maria, 174 artisans ont été recensés comme étant des travailleurs. Ces fichiers était un fichier inexploitable. Et c'est pour cette raison que nous avions fait un certain nombre de propositions dont il a dit. Lesquelles 1 nous avions dit on ne peut pas comprendre et admettre qu'il y ait un vote sans carte électorale, il faudrait éditer les cartes électorales. Deux, nous avions dit il faudrait qu'il y ait un cabinet informatique qui va finaliser ces documents parce que ces documents, ces fichiers électoral est inexploitable. Trois, l'ensemble des doublons. Il faudrait que ça soit extirpé parce que nous ne pouvons pas comprendre et admettre qu'il y ait des doublons. On ne peut pas comprendre et admettre des ministres en exercice ont été recensés pour voter en tant que travailleurs ou employeurs. Nous avions demandé à ce que cela nous soit élucidé. Nous avions dit des travailleurs nés en 2015 ne devraient pas voter. Il faudrait que ça soit, que des explications nous soient données nous avions constaté qu'il y a des travailleurs qui sont au plan international. Et nous avions dit si tel est le cas, il faudrait enregistrer des travailleurs internationaux. Alors, le travail n'est pas fini. L'Union démocratique des travailleurs du Niger a des travailleurs aux États-Unis, au Japon, en Chine. Cela veut dire que les, recensements n'ont fait que commencer. Bien, nous allons lui redonner la question. On ne va pas épuiser toute la liste de vos propositions. Je pense bien que c'est des propositions qui ont été, euh, sur le, qui ont été écrites nous allons donner la parole à Seyni Bagou, qui est deuxième vice-président de la CONOP, peut-être pour donner euh, des, rectifications ou pour euh, euh, donner un certain nombre d'éclaircissements par rapport à certains constats que vous avez eu à faire. Merci. vraiment, je ne voulais pas rentrer trop dans les détails comme l'a fait le G, mais ensuite, quoi qui le recensement, lorsque les représentants des centrales syndicales, chacune des centrales syndicales a désigné son représentant, où nous avons programmé le recensement, nous avons envoyé une correspondance à toutes les centrales syndicales. Comme quoi, de nous envoyer leurs représentants au niveau des communes. C'est ça qu'on dit les commissions administratives. Ce sont ces mêmes centrales syndicales, moi je suis ici d'une centrale syndicale, ce sont nos mêmes centrales syndicales qui ont envoyé leurs représentants au niveau des communes et ce sont ces représentants qui ont recruté les agents recenseurs. Ma foi, on ne va pas condamner la CONEP. Certes, nous n'avions pas eu le temps ou matériel et financier pour former les agents recenseurs, mais nous avons dit aux représentants des centrales syndicales qui ont été désignés au niveau des communes de procéder à une formation, même si c'est une heure de temps, de ces agents recenseurs. Cela n'a pas été fait. Ce, n'est pas la CONEP qui a désigné les agents recenseurs. C'est les représentants. C'est les représentants des centrales syndicales au niveau des communes qui ont désigné les agents recenseurs. Parents, amis et connaissances, ça, ça, on ne sait pas. Nous avons souffert dans ce sens, de telle sorte que pour mettre aujourd'hui le fichier au point, nous avons été tapés sur les doigts par les centrales syndicales et, à juste titre, nous étions obligés, comme il vient de le dire, de recruter un cabinet pour mettre au point ce fichier électoral. Le cabinet en question a été recruté, il a fait son travail. Maintenant, euh, lorsqu'il a fait son travail, il faut procéder au tirage. Nous avons un informaticien qui a été mis à la disposition de, la CONEP par le ministère de l'Emploi et c'est cet informaticien qui a travaillé avec le cabinet pour nous sortir aujourd'hui le fichier que nous avons sous les bras. Ce n'est pas encore terminé parce que euh, le tirage continue parce qu'il faut que chacune des centrales et un jeu du fichier pour tous les pays, en ce qui concerne les travailleurs. Maintenant, il parle de goût de Maria, je sais pas, il parle de ceci, cela. Mhm. C'est vrai, on, reconnaît. Mais. Qu'il y a un certain nombre de manquements. Il y a un certain nombre de manquements, mais au, moment où le cabinet avait pris le fichier en charge, tous ces éléments-là ont été élagués. Tous les doublons ont été élagués. Vous savez, on ne peut pas avoir aujourd'hui un fichier tellement parfait, parfait comme ils le veulent. C'est une première expérience que Niger comme tant d'autres pays euh, africains ont en train de faire pour voir dans quelle mesure aujourd'hui, donc dans quatre ans, comment d'abord eux, ils vont s'organiser pour que le temps qu'on a mis pour organiser ces élections-là euh, ne puisse pas aller de, l'avant au niveau, euh, en quand on va faire les quatre ans pour reprendre pour faire les élections. Les élections professionnelles, on en a eu vraiment de problèmes mais aujourd'hui, Dieu merci. Grâce au le cabinet a contribué beaucoup. Le cabinet a contribué aujourd'hui à, l'amélioration du fichier électoral. En tout cas, ils, auront le fichier, ils vont le constater d'eux-mêmes. Parce que ceux qui n'étaient pas avant, maintenant nous avons exigé, comme le commande le code électoral, de procéder au tirage du fichier et de faire l'affichage par service. Ça veut dire que le studio Kolongu aura sa liste qui sera affichée à la porte. Maintenant, si vous vous, vous êtes pas inscrit sur le premier fichier, vous avez le droit de vous faire inscrire sur, le nouveau fichier. Comment Parce qu'il y a, y a des fiches de réclamation qui seront accompagnées euh, du, listing. Dans tous les services, ça c'est la CONEP et mhm. les, communes qui seront chargées de, ce, de cet affichage-là. Mhm. Dans toutes les régions, y compris la ville de Niamey. Donc vraiment, euh, l'élément nouveau, c'est que à son temps, on a amené le fichier au niveau des communes, elles ont affiché, mais ça n'a rien servi. Donc on a constaté que effectivement il faut suivre ce que le code des recrutements nous recommande. Et nous avons suivi cela prochainement, tout, euh, bientôt quand il y aura l'affichage qui sera fait dans tous les services, en tout cas les services où les camarades se sont, se sont fait inscrits. Mhm. Donc il faut bien préciser. Alors une question au passage, qui est électeur et qui est éligible Bon, euh, les électeurs, c'est les travailleurs, auprès les travailleurs des, ONG, les travailleurs du secteur privé, parapublic, de, les fonctionnaires et les contractuels. Voilà euh, les travailleurs qui sont euh, électeurs. Et ces travailleurs voteront pour telle ou telle centrale syndicale. Ces travailleurs voteront pour telle ou telle centrale syndicale. Il y a un bulletin unique qui a été sur lequel figurent toutes les 12, centrales, syndicales. Après les élections, c'est les décomptes chacun aura sa place. Bien. Merci. Euh, pour, finir, pour clore euh, cette, cette, parenthèse, euh, Monsieur euh, Abdou Souley, l'exigence d'avoir un cabinet pour pouvoir toiletter ce fichier électoral a été prise en compte par la CONEP il vient de le dire qu'un cabinet a été recruté et qui a procédé notamment à son toilettage et un certain nombre euh, de manquements ont été, ont été pris en compte. Est-ce que vous êtes rassuré Est-ce que Bon, pour le moment, c'est ce qu'eux, ils ont dit. On n'a pas encore vu les fichiers en tant que tels pour qu'on l'examine, parce que aussitôt le fichier arrivera, huit commissions seront mises en place, une commission par région et quatre commissions au niveau des Niamey. Chaque commission s'occupera d'une commune. Mhm. Et c'est à l'épreuve de fait que nous serons appelés à vous dire voilà tel que le fichier a été conçu, voilà ce que nous avions constaté. Mais dans tous les cas, le temps qui a été imparti à ces cabinets était pratiquement insuffisant pour faire un travail d'audit tel que ça devrait être. Et c'est pour ça on a des réserves jusqu'à ce qu'on voit la version finale en tant que telle. Et au-delà de ça, c'est un rêve qu'il est en train de faire. Lequel Celui qui consistait à amener le fichier dans les services même pour que ça y soit affiché. Je rappellerai, je vais te dire, au premier passage, ils avaient envoyé, utilisé les représentants des centrales syndicales au niveau des communes sans qu'ils ne soient payés. Vous ne pouvez pas demandez à quelqu'un de vous faire un travail de collecte des données, d'affichage, sans mettre des moyens nécessaires à sa disposition. Et les compléments qu'ils avaient demandé, j'ai un doute par rapport à ces compléments. Ils avaient demandé un complément de 340 millions pour finaliser le fichier électoral et organiser les élections sur toute l'étendue du territoire. 340 millions, le budget devrait être fait de la façon suivante il faudrait qu'il y ait un plan stratégique compilé avec l'ensemble des activités, tenant en compte, prenant en compte la formation de bout en bout des agents et des présidents des bureaux de vote, des assesseurs, des secrétaires de bureau pour qu'un budget puisse être réalisable. Ils ont imaginé une fourchette pour dire il leur faudrait tout simplement 340 millions pour qu'ils puissent finaliser l'organisation des élections professionnelles. Or, ce qu'il est en train de dire, l'affichage, la distribution des listes dans les services n'a pas été prise en compte dans le budget. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, on dit au niveau de la CODEP, la commission départementale des élections professionnelles, c'est l'inspecteur qui la préside. Et à ce niveau, il y a même un cafouillage où le représentant de l'État se mixe. Et nous sommes en train de suivre de bout en bout. Il y a des gouverneurs qui se donnent et qui se rangent du côté de certaines centrales syndicales, des préfets, des gouverneurs de région, des secrétaires de région, dont nous allons veiller de bout en bout pour que les élections soient libres et transparentes. Et c'est pour cette raison, nous disons, mhm les fonds alloués est eh, complètement insuffisant pour que vous puissiez faire ce travail dont vous êtes en train même, de dire. Nous allons quand même lui donner la parole pour, résumer et peut-être pour donner quelques réponses à, aux préoccupations et à ce que vous avancez, notamment euh, peut-être la question que j'ai envie de vous poser, euh, Seyni Saini Bagou, deuxième vice-président de la commission euh, chargée des élections professionnelles. combien s'élève le budget euh, pour, organiser ces élections de A à Z, comme on l'a dit Le premier budget s'est élevé à un milliard rond. Dans ce milliard, avant l'installation de la CONEP, il y a eu à peu près 200 millions qui ont été utilisés par le ministère de l'Emploi. Pour faire Du travail pour, payer le matériel. Le matériel de bureau. Non, non, pas le matériel. Le matériel de bureau, des motos, des véhicules à la prise de fonction de la CONEP, il y avait 800 et quelques millions mhm. qui a été mis à la disposition de la CONEP au niveau du Trésor, mhm. dans un compte au niveau du Trésor. Nous avons fonctionné avec... Je euh, j'ai pas voulu à ce que vous me posiez la question de, l'argent parce que nous, mhm. non, non, non, nous on ne gère pas l'argent. Hein. Je vous dis, non, je vous dis clairement que à la CONEP, on est 24 commissaires. Parmi les 24 commissaires, je vous dis, il n'y a que le président qui a été nommé par euh, le ministère de l'Emploi. Mhm. Le président de la CONEP. Le président de la CONEP et un régisseur qui est chargé des finances qui gère ses sous. Mhm. Aucun membre de la CONEP aujourd'hui ne peut venir vous dire que y a tel montant, tel montant, tel montant dans le compte de la CONEP. Nous avons eu à nous battre. On ne vous, fait, pas de, compte rendu par rapport aux dépenses. Il n'y a pas de feedback à en ce qui les, dépenses au niveau de la CONEP. La seule chose que nous recevons, c'est nos indemnités. Et, vous, avez, euh, vous avez trouvé normal que. Euh, Mais on a décrié, on la, a même euh, la réponse qu'on nous donne, c'est qu'ils seront comptables devant les inspections de l'État ou devant ceci, cela. Ni le bureau, ni les membres de la CONEP ne sont pas au courant de ce qui se passe en matière des dépenses. Mais le brut du montant, on l'a. On a, ils ont viré en premier lieu 800 et quelques millions. Ces 800 et quelques millions ont été utilisés jusqu'au départ du premier président où il a laissé au niveau du trésor 121 millions. C'est sur ces 121 millions qu'aujourd'hui la CONEP est en train de fonctionner. Qu'en est-il de, de, ce qu'il a avancé tout à l'heure par rapport aux 300 et quelques millions vient euh, Ce qu'il vient d'avancer lorsque le gouvernement a remarqué la lenteur des activités de la CONEP, le gouvernement, le Premier ministre en question et le ministre de l'Emploi ont convoqué la CONEP pour que la CONEP leur dise exactement quel est le problème. <laughs> On les a fait comprendre. Les 121 millions restants ne peuvent pas organiser les élections. Donc, ils nous ont intimés à aller faire un budget additionnel ce budget additionnel, ce qu'il dit, je regrette, nous avons pris en compte ce qui sera chargé de l'affichage des listes au niveau des services. Nous avons pris en compte eh, des gratifications au niveau de l'intérieur du pays en ce qui concerne les inspecteurs de travail, parce que ceux qui seront les points focaux dans les régions. C'est sur eux que nous, nous allons nous baser, parce que les listes même seront envoyées aux inspecteurs qui à leur tour vont les acheminer dans les communes. Donc, euh, les 340 millions dont nous avons demandé, c'est pour euh, l'organisation même des élections. Parce que, qui dit organisation, vous avez, il y a une équipe. Il y a une équipe, il y a des indemnités qu'il faut donner aux membres du, bureau de vote, il y a des, des formations qu'il faut procéder, et il y a euh, le reliquat du fichier, enfin, qu'on doit au moins payer le cabinet, parce que c'est dans les 121 millions que nous avons donné une avance au, cabinet. C'est dans les 121 millions que nous avons euh, passé le marché au niveau de, de l'imprimeur. Tous ces gens-là, il y a au moins ces reliquats qu'il faut les payer. Donc tout ce reliquat-là est pris en compte dans les 340 millions. Et les 340 millions, l'État a retenu ça dans le collectif budgétaire. Mhm. Présentement, je ne peux pas vous dire que l'argent est disponible au trésor, oui ou non. C'est pour ça que je dis, en matière de finances, il serait très difficile à ce que je me prononce pour vous donner véritablement ce qui se passe. Mais quand vous me parlez de la technique, je peux vous dire ce qui se passe présentement techniquement sur le travail ah. technique au niveau de la CONEP. Alors, on sait que ces élections professionnelles ont toujours été, ont été reportées à plusieurs reprises. Est-ce qu'on peut désormais, est-ce qu'on est à, proche du bout du tunnel En tout cas, eh, une fois que nous aurons les moyens complémentaires, les 340 millions, en tout cas, nous serons au bout du tunnel. Parce que, je le dis, aujourd'hui, une fois que le fichier est terminé, le problème aujourd'hui, c'est le fichier une fois que le fichier est terminé, on peut fixer une date. On peut fixer une date. Mais tant que le fichier n'est pas terminé, j'ai toujours attiré l'attention de la CONEP. Moi, en tant que vice-président des travailleurs, mm. j'ai dit on a repoussé, repoussé. Les gens sont en train de nous dire de n'importe quoi. Et à juste titre, parce que d'autres disent qu'on est en train de, s'asseoir, on ne veut pas quitter, parce qu'il y a ceci, cela. Mm. Et moi, je ne les condamne pas, hein, je les donne raison. Maintenant, une fois que nous avons fini l'élaboration finale de ce fichier, eh bien, on peut fixer une date. Mais tant que le fichier là n'est pas terminé, on n'a pas eu le fichier final sous les bras. En tout cas, il serait hasardeux de fixer une date parce que cette fois-ci, ni le gouvernement, ni les centrales syndicales ne nous feront pas cadeau. Et ces fichiers, est-ce que vous pensez que dans deux mois, au maximum. Dans deux mois, au aura maximum. Fini. Au hein? maximum, dans deux mois, ce fichier aura fini. Bien. Sera fini Bien. Euh, nous revenons à vous, Abdou Souley, euh, de l'IDTN. Est-ce qu'aujourd'hui, la principale entrave pour l'organisation pour de ces élections, c'est euh, les finances, c'est l'argent Et Pour amener à bout ce processus d'organisation des élections professionnelles, l'État a mis à la disposition de la CONEP 882 millions 159 849 francs CFA en 2014. Et au moment où le président, l'ex-président de la commission des élections professionnelles avait quitté, il y avait eu 874 535 440 francs CFA qui ont été dépensés. Et à l'époque, on nous a dit que le taux d'exécution de ces budgets était de 99,13% et que ces 99,13% avaient fait en sorte que le travail était presque fini et même les 121 millions dont il parlait tantôt a été engagé au trésor. Nous, nous sommes les représentants des organisations syndicales des travailleurs. Nous avions crié la malgouvernance au niveau de l'État. Il y avait eu malgouvernance au niveau de la commission électorale des élections professionnelles et il faudrait qu'il y ait des L'opération L'opération qu'il y avait eu au niveau des institutions de l'État, il faudrait qu'on nous dise qu'est-ce qui a été fait avec ces montants à l'heure où nous en sommes, le travail n'est pas terminé et il faudrait chercher 340 millions et même les 340 millions à l'heure d'Oran, nous ne serons pas au bout du tunnel. Vous êtes sûr c'est insuffisant, vous pensez Vous trouvez que c'est insuffisant les 340 de cause, connaissant l'étendue du territoire du Niger que je suis en train de le dire. Combien, à votre avis, il faut pour, pour finir Nous avions fait un plan stratégique de l'organisation des élections professionnelles. Ça s'est levé à 2 milliards 136 millions 145 325 francs CFA. Ça, c'était avant. Pour finaliser l'organisation à des élections professionnelles au Niger. Mhm. Nous avions fait des propositions à la Commission nationale des élections professionnelles. Ils avaient dit que eux, quand ils demandent ce montant, on dirait que c'est l'argent qu'ils sont venus chercher et ils allaient demander un petit montant pour faire en sorte que l'État puisse les appuyer. Nous allons partir, donnons-le, nous, nous allons nous battre pour que ces 340 millions soient mis à leur disposition et nous allons voir leurs limites parce que nous savons pertinemment que les 340 millions ne pourront pas leur permettre d'organiser ces élections professionnelles. Ça, c'est votre conviction. Je suis convaincu et je suis sûr de ce que je suis en train d'avancer. Alors, je vous avais posé tout à l'heure la question de savoir est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la seule limite pour organiser ces élections, pour arriver à organiser ces élections, c'est euh, un blocage financier Ou bien il y a un autre obstacle Il y en a plusieurs obstacles. Hein il vous a dit que les fichiers, fichiers n'ont pas été finalisés. Il, faut de l'argent pour finaliser. Il faut de l'argent pour finaliser ces fichiers. Et avec ou sans argent, c'est qui reste, il y a beaucoup de chemin à parcourir. Autre chose, même la première fois, on a nos camarades Dungas qui, à la date d'aujourd'hui, n'ont pas été payés depuis le premier recensement des élections professionnelles. Vous voyez, cet aspect n'a pas été pris en compte parce qu'il y a ceux qui ont travaillé au niveau des communes qui n'ont pas été prises en compte, ont dit que le code n'a pas pris ça en compte. Et c'est ce qui a fait que j'ai dit, dans la programmation budgétaire, pour faire une programmation budgétaire, il faut prendre tous les aspects en compte pour qu'il n'y ait pas d'entrave. Il a fallu, la première fois que les fichiers ont été envoyés à l'intérieur du pays, que nous, centrales syndicales, nous nous portons la robe un diable pour faire en sorte que ces fichiers soient envoyés parce qu'ils savaient que quand ils étaient partis à l'intérieur du pays, ils avaient commis un péché de ne pas payer les agents et ils avaient bloqué purement et simplement le fichier électoral. Il a fallu que nous, centrales syndicats qu'ils se rabattent sur nous et nous avions mis pression sur nos représentants qui sont au niveau des départements, qui sont au niveau des communes, qui sont au niveau des régions pour que les listes soient envoyées ici en Ami. Seules deux régions, la région de Difa et la région de Maradi étaient venues complètement avec les listes. Sinon, les autres régions, il a fallu qu'on fasse un plaidoyer et un lobbying pour que les listes puissent parvenir à Niamey. Alors, nous sommes, nous sommes à la fin euh, de, cette émission. Comment pouvoir arriver à organiser ces élections professionnelles dans le bonheur de tous les travailleurs nigériens pour que les élections puissent être organisées, nous pensons que la CONEP doit mettre du sérieux pour que les fichiers électoraux puissent être finalisés sur toute l'étendue du territoire en prenant en compte l'ensemble des préoccupations qui ont été soulignées par les organisations syndicales des travailleurs. Ensuite, nous pensons que l'aspect financier il faudrait qu'ils retracent et qu'ils disent clairement à l'ensemble des représentants quand ils vont faire les missions à l'intérieur du pays que tel aspect a été pris en compte par le budget, tel aspect n'a pas été pris en compte dans le budget, ce qui va permettre à ce que les organisations, les représentants des organisations des travailleurs ne seront pas accusés de vouloir prendre en otage le fichier électoral quand eux, ils seront de retour pour attendre le feedback de ces, organ... de ces représentants des travailleurs. Ensuite, nous avions dit il faudrait que un travailleur qui va aller voter, qu'il puisse le faire en présence d'une de ses cartes et de la carte professionnelle. Et pour que les élections puissent se faire dans la sérénité, il faudrait qu'il y ait l'immixion. Il faudrait que les autorités au plus haut sommet ne s'immixent pas dans l'organisation de ces élections professionnelles. Et en ce moment précis, nous souhaiterions bonne chance à ce que le meilleur puisse gagner. Bien. Euh, euh, pour finir euh, rapidement avec vous, Seyni Bagou, deuxième vice-président de la CONEP, comment vous, vous voyez ces élections professionnelles Vraiment, c'est très simple. Hein. Ces élections professionnelles, du moment où l'État est en train de mettre les moyens à la disposition de la CONEP, je ne vois pas de raison à ce que nous allons nous permettre de dépasser les fonds publics et ne pas faire le travail pour lequel l'État a mis ses moyens. Et vous, vous êtes convaincu que les moi, 340 moi, je suis convaincu. Non, les trois, c'est un plan, plan de décaissement que nous avons fait. Tout ce qu'il dit là, c'est un plan de décaissement. Et je vous disais tantôt que chaque centrale a un représentant au niveau de la CONEP et chaque représentant de ces centrales est tenu faire des comptes rendus périodiques à sa centrale qu'il a désignée. Si cela n'est pas été fait, ce n'est pas la faute de la CONEP, camarade. Maintenant, euh, au niveau, à l'intérieur du pays dont il pas dit que les gens de Maria ou des camarades de Goudemaria n'ont pas été payés, nous, quand on reçoit l'argent, quand la, la régisseur prend l'argent au niveau du trésor, elle envoie l'argent au niveau des inspecteurs de travail des régions c'est aux inspecteurs de travail, ces inspecteurs de travail sont chargés de dispatcher cet argent-là à l'intérieur du pays, dans les communes. Donc ce n'est pas en la fonction des prévisions. En fonction des prévisions. Ce n'est pas la CONEP qui se déplace pour aller distribuer. Pour donner, Non, non. Nous avons des représentants à l'intérieur du pays qui sont les inspecteurs de travail qui représentent l'État ou qui représentent le ministère de l'Emploi. Quel est votre mot de conclusion pour cette émission Mon mot de conclusion, c'est que euh, moi je lance un appel à toutes les centrales syndicales. Qu'aujourd'hui, chacune de ces centrales syndicales doivent être prêtes pour aller vers ses électeurs, aller les sensibiliser, leur dire au cas où les fiches seront affichées, que, ou les listes plutôt seront affichées, que chaque travailleur aille consulter la liste et voir si son nom y figure sur la liste. Au cas échéant, ils n'ont qu'à se faire recenser sur les fiches de réclamation. Aujourd'hui, euh, nous avons à peu près 200 000 euh, travailleurs que nous avons recensés. C'est insignifiant. Ça veut dire que nous donnons, la CONEP et l'État donne une chance supplémentaire aux centrales syndicales d'aller vers leurs militants pour qu'ils aillent se faire réinscrire sur les listes si au cas échéant, leur nom ne figure, pas, Sur, la liste électorale. Bien. Et avant de finir, moi je dis que euh, nous allons, si l'État met les 340 millions à la disposition de la CONEP, ça veut dire que l'État va débloquer 1 milliard 340 millions. Nous ne sommes pas loin du chiffre que les je viens de dire. Nous ne sommes pas loin. Si aujourd'hui euh, l'État nous débloque les 340 millions, qu'il sera sûr que ces, ces élections-là auront lieu. Euh, c'est sur ces mots de Seyni Bagou, deuxième vice-président de la CONEP, la Commission nationale chargée des élections professionnelles, qui prend fin le forum euh, du studio Kalangou de ce soir. Nous étions, je le disais, avec euh, Abdou Souley, secrétaire général de l'IDTN et représentant de la CTN, la Convergence des travailleurs du Niger, et, <laughs> et donc Seyni Bagou, deuxième vice-président de la CONEP. Merci à vous d'avoir été des nôtres durant ces 45 minutes. Bonsoir.